forum district the forum district the forum district the forum district the forum district Il est 18h15 à Maradi, c'est l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes aux ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société. leeyihin Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse à la problématique de la scolarisation des filles et le mariage précoce ou encore mariage des enfants cas des jeunes filles de la région de Maradi. Dans la première partie de ce forum, nous allons aborder la problématique de la scolarisation de la jeune fille de la région de Maradi. Ensuite, dans la seconde partie, nous allons parler du mariage des enfants dans la région de Maradi. Avec nous pour développer ce sujet dans le studio de la radio Garkoa, notre principale radio partenaire dans la région de Maradi, Madame Hadja Ramou, chargée de la scolarisation de la jeune fille à la direction régionale des enseignements secondaires de la région de Maradi. Madame Hadja Ramou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Madame Biba Kone de la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Madame Biba Kone, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec nous également Abdou Malam, il est sociologue. Abdou Malam, bonsoir. Bonsoir. Plusieurs facteurs freinent la scolarisation de la jeune fille au Niger. En effet, les femmes représentent plus de la moitié de la population nigérienne, estimée à plus de 18,8 millions en 2014. Malgré ce poids démographique sur le plan éducatif, on constate un faible taux de scolarisation de la jeune fille. Le taux de scolarisation est de 29% au Niger. On constate également une disparité entre le milieu rural et le milieu urbain. Le milieu rural, qui représente 85% de la population totale, ne compte que 15% du taux de scolarisation. Malgré les efforts consentis par l'État et ses partenaires, cette situation persiste cette sous escolarisation euh, s'explique par le fait que les parents préfèrent envoyer le jeune garçon plutôt que la fille qui doit aider sa mère dans les tâches domestiques et les travaux champêtres. Il y a également les pesanteurs socio qui ne conçoivent pas la scolarisation de la jeune fille. Pour les communautés à la base, la place de la jeune fille est au foyer. Dans d'autres localités, comme ici à Maradi, elles sont soumises aux petits commerces ou envoyées dans les grandes villes pour servir de petites bonnes et ou donner un mariage précoce. Avant de vous donner la parole, on va suivre l'honorable Issoufou Maïdobo, chef du canton de Bernelalé d'Akoro, relativement à la problématique de la scolarisation de la jeune fille à Maradi. Depuis que nous avons un partenariat avec euh, l'UNICEF et le FINIAP. notre position, c'est de sensibiliser nos populations euh, pour euh, leur expliquer l'avantage de scolariser, d'amener la jeune fille à l'école en même temps que son frère garçon et de tourner de sensibilisation. Nous nous rassemblons au niveau de village les parents et même euh, ces jeunes filles-là qui, n'ont pas été à l'école, pour qu'elles écoutent, qu'elles s'intéressent ou qu'elles demandent à leurs parents de les amener à l'école. Parce que nous faisons même, on faisait des démonstrations ou on faisait des exemples auprès des, des enseignantes ou bien euh, des femmes infirmières et tout ça là. C'est ça qui fait que les parents euh, acceptent d'amener la jeune fille ou bien leur fille à l'école. Malgré qu'il euh, y a encore à faire, mais d'autres euh, familles ont compris. Mais j'ai oublié d'en parler ça même dans notre machin en Hossa. Vous savez, maintenant l'école, même si les parents ont la bonne volonté d'amener les enfants à l'école, deux fois ils sont découragés par euh, la présence même des maîtres qui sont dans le village. est tellement des Chaque fois, on les enfants partent à l'école, ils reviennent, à ah, le maître n'est pas là, le maître n'est pas C'est pourquoi, deux fois, les parents disent que, ah, on disait d'amener les enfants, mais quand on les amène, les maîtres sont absents. L'honorable chef du canton du benin est Dakoro. Madame Biba euh, de la Direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Quelle est la situation réelle de la jeune fille ici à Maradi On peut dire qu'elle est assez bonne parce qu'on a constaté de nos jours, en tout cas, une avancée particulière par rapport à leur scolarisation. Il y a un taux élevé, peut-être que la SCOFI, je parle sous le contrôle de la SCOFI, on a enregistré de nos jours un taux un peu élevé par rapport à cette scolarisation parce que les, populations ont commencé à comprendre l'importance de la scolarisation de la jeune fille et que la jeune fille a le même droit que les, garçons. Donc, quand on scolarise la fille, elle acquiert plusieurs connaissances dans le domaine de sa, au niveau de la santé de la, euh, santé de la reproduction, au niveau même du foyer, comment gérer un foyer, et puis par rapport à la vie en société en tout cas pour nous, à notre niveau, avec tous les partenaires qu'on a qui travaillent avec nous dans l'ensemble des villages dans lesquels l'UNICEF intervient à, travers l'approche holistique, on a remarqué en tout cas une avancée très significative par rapport à la scolarisation de la jeune fille. Depuis plusieurs années, l'État nigérien et ses partenaires ont investi d'importants moyens dans le cadre de l'amélioration des conditions de la jeune fille au Niger. Quel est l'impact de ces interventions ici à Maradi, madame Bon, par rapport à l'impact de ces interventions, particulièrement au niveau de notre ministère, le ministère a, mis en place au niveau des villages dans au niveau des villages dans lesquels on a constaté qu'il y a trop de problèmes par rapport à la de la jeune fille, des équipements à d'allégement de tâches. Parce que les femmes disent qu'elles sont trop surchargées, raison pour laquelle elles empêchent à leurs filles d'aller à l'école. Le ministère a, mené, des plaisirs pour les partenaires techniques et financiers pour mettre en place des équipements et soulager les tâches des femmes afin qu'elles libèrent les filles pour aller à l'école. Ah, il y a aussi le petit commerce qui peut être un facteur euh, ici à Maradi. Mais il y a, au, moins, au les week-ends, la fille peut s'adonner au petit commerce. Nous, on n'a pas d'éradiquer complètement le petit commerce au moins que la fille ait un temps pour aller apprendre à lire et à écrire, parce que c'est un avantage pour elle. Madame Adam Aramou chargée de la scolarisation de la jeune fille à la direction régionale des enseignements secondaires de Maradi, quelle est la situation réelle de la scolarisation des filles dans la région de Maradi Merci donc euh, Radio euh, de nous avoir accordé cette opportunité pour nous exprimer sur la situation de la jeune fille au niveau de la région de Maradi. Donc euh, la situation de la, de la jeune fille au niveau de la région du Maradi s'est améliorée grâce aux diverses interventions que nous sommes en train de mener, surtout dans les zones où on a constaté qu'il y a euh, un faible effectif de filles scolarisées. Nous intervenons pour des campagnes de sensibilisation en faveur de la communauté, puis des filles elles-mêmes. Donc nous avons constaté que Maintenant, l'intérêt de la scolarisation est bien perçu par les parents et par les filles elles-mêmes. Donc, euh, c'est ce qui nous a donné les différents taux de la scolarisation des filles, les taux bruts, les TBS, les taux d'achèvement. On a remarqué euh, une avancée significative. Madame Adam Ajaramou, quelles sont les zones concernées par le faible taux de scolarisation de la jeune fille dans, la région du Maradi bon, Dans la région du Maradi, euh, les zones les plus concernées par cette sous-scolarisation, c'est surtout les départements de Dakoro, Giranrumji, Madarumfa et Meyayi. Et c'est là-bas que nous intervenons avec euh, plusieurs projets. Mais n'empêche, nous intervenons au niveau des autres euh, départements aussi. Avez-vous pu identifier euh, les causes de cette sous-scolarisation des filles Bien sûr. Donc, les causes de cette sous-scolarisation des filles, peuvent être classés en trois plans. D'abord, le plan socio-économique, comme l'a si bien dit ma collègue, et la vulnérabilité du ménage fait que les parents utilisent les filles dans le petit commerce. Ensuite, euh, c'est aussi cette même vulnérabilité qui pousse les mères, surtout les mères, à employer les jeunes filles dans les travaux domestiques. Et donc, euh, la troisième euh, euh, problématique, c'est les coûts d'opportunité liés à la scolarisation des filles. Parce que vous savez, une fille scolarisée doit être un peu, un peu euh, comment dirais-je, par rapport à une fille qui n'est pas scolarisée. Donc ce sont ces coûts-là, deux fois, qui entravent la scolarisation des filles au niveau des villages. Comme je l'ai souligné tantôt, les familles sont vulnérables donc dès qu'il faut demander quelque chose pour, auprès des familles, ça cause problème. Voilà du point de vue économique. Maintenant, euh, du point de vue euh, socio-culturel, elle a, soulevé le problème aussi. Là, il s'agit des, stéréotypes sexistes et des préjugés en défaveur de la fille. Il y a aussi euh, les textes sacrés qui sont des fois. textes sacrés, ça veut dire quoi concrètement Par rapport à notre religion, je voudrais dire. Le poids de la religion. Oui. Donc euh, là aussi, la fille est défavorisée par rapport aux garçons. maintenant, euh, du point de vue euh, institutionnel et juridique, là, il y a un manque ou bien une insuffisance d'infrastructures d'accueil, surtout au niveau du secondaire. Et c'est cela qui pousse euh, les enfants à se décourager. Et cela euh, conduit aux abandons scolaires. Il y a l'éloignement des établissements. C'est ce qui pousse les enfants des fois à abandonner. Et aussi, eh, il y a le manque de textes de protection. Mais grâce à Dieu, eh, le 5 décembre dernier, eh, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris un décret pour protéger, soutenir et accompagner les jeunes filles en cours de scolarité, ce qui nous soulage. Madame Hajia Ramou, est-ce que les parents euh, comprennent le bien fondé de la scolarisation de leurs enfants Bien sûr que oui, parce que nous avons constaté des avancées, comme j'ai eu à le dire. Nous avons maintenant compris que les parents ont bien compris l'intérêt de la scolarisation. Parce que euh, il y a quelques années, ce n'était pas possible de trouver des filles en classe de quatrième. Mais maintenant, vous pouvez trouver des filles en classe de troisième dans les zones rurales et même des filles qui ont euh, réussi au BEPC. C'est déjà une avancée. Ensuite, euh, euh, nous avons constaté que les parents qui ont bien compris ont même commencé à payer les frais de scolarité dans des écoles privées à leurs enfants. C'est encore une autre avancée. Et aussi des parents qui s'organisent pour payer les frais de cours de répétition à leurs enfants. C'est encore une autre avancée. Sinon, c'était impensable il y a quelques années, voir des filles et des, collèges euh, ruraux en classe du quatrième ou troisième. Mais maintenant, avec euh, ce que nous sommes en train de faire concrètement sur le terrain, nous avons remarqué beaucoup de changements. Est-ce que dans vos interventions, les ménages vénérables sont soutenus Bien sûr. Parce qu'avec euh, l'intervention des projets, plusieurs projets interviennent ici au niveau de la région du Maradi pour appuyer les filles elles-mêmes, ensuite les familles d'accueil. Il y a des filles euh, qui sont ciblées, des familles vulnérables, qui sont placées dans des familles d'accueil. Et ces filles-là perçoivent une bourse à la fin de chaque trimestre, et de même que leur famille d'accueil. Il y a des projets comme euh, le projet SCOFI, de aide et action. Il y a le PAEC, le projet euh, d'appui pour une éducation de qualité. Il y a aussi le SWED récemment, le SWED, à travers lequel le Niger a euh, élaboré un projet dénommé Projet régional euh, d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques. Là aussi, il y a des filles des familles vulnérables qui sont ciblées et qui sont appuyées par ce projet. Abdou Damalam, vous êtes euh, sociologue. Euh, comment expliquer le faible taux de la scolarisation des filles dans la région de Maradi Tout d'abord, euh, je remercie la radio Garquois et ses partenaires, et plus précisément la radio Kalangou, qui nous a honoré d'avoir participé à ce débat de société. Et je dois d'abord commencer à définir la scolarisation de la jeune fille avant euh, de répondre à cette euh, question multidimensionnelle que vous venez de me poser. D'abord, euh, scolariser la femme ou bien la jeune fille, c'est admettre une fille à un enseignement scolaire, et plus précisément dans un établissement scolaire dans le contexte nigérien jusqu'à l'âge de 16 ans. Cette scolarisation de la jeune fille au niveau de Maradi tout comme dans toutes euh, les autres régions du Niger, CRT a d'énormes défis. Ces défis, comme l'a si bien dit les autres intervenants, sont de plusieurs facteurs. Dans la région de Maradi, nous ne devons pas d'abord ignorer le phénomène culturel, le phénomène religieux, qui sont des phénomènes qui freinent la scolarisation de la jeune fille. Au-delà de ce phénomène, même le contexte social, quand nous prenons la disparité entre les centres urbains et les centres ruraux, nous avions un grand défi à relever. Et que ce soit au niveau du centre urbain ou du centre euh, euh, rural, les mots sont les mêmes parce que ce complexe ce phénomène culturel de la population de Maradi, qui du reste donne plus de penchant chez le jeune garçon que chez la jeune fille. Cela est dû d'abord au facteur de l'éducation. La jeune fille, à la base, est à côté de sa mère. C'est la mère qui joue le premier rôle. Le père vient en appui. Et au-delà de ça. Abdou est-ce que que n'est pas une fuite de responsabilité le fait de confier la jeune fille euh, seulement à l'éducation de sa maman euh, plutôt que son papa lui-même Bon, si on peut le dire, ce n'est pas en quelque sorte une fuite de responsabilité parce que d'abord, nous sommes dans un contexte de deux grandes familles. La première famille de l'enfant, c'est le foyer. Et même dans le foyer, il y a des éléments qu'on peut retrouver. Par exemple, l'éducation d'une jeune fille dans une famille unie est différente de l'éducation dans une famille en discorde. Donc là aussi, je pense, quand nous prenons un tableau de 0 à 5 ans, la fille est avec sa mère. Elle suit et elle est toujours collée à sa mère. Mais de 5 à 10 ans, il y a une petite séparation de sexe qu'on constate. Maintenant, de 10 à 15 ans, là, c'est la différenciation dans le travail. Et maintenant, de 15 à plus, là, c'est la charge de la société, c'est la charge de la communauté, en commençant par la famille. Au-delà, nous avons le phénomène religieux. Et deux fois, la religion fait en sorte que, ou bien dans certaines euh, familles où la religion est très, très, très sévère, difficile à admettre l'école comme étant la deuxième famille de l'élève ou bien de la jeune fille, là, on élimine catégoriquement la jeune fille. Donc, pas d'inscription de la jeune fille à l'école, parce que selon euh, certains religieux, l'école est source de déperdition. et l'État, avec ses partenaires, sont en train de sensibiliser les parents par rapport à la scolarisation de la jeune fille. Cette sensibilisation, elle est insuffisante parce que à côté de ces, euh, de ces facteurs ou bien de ce phénomène religieux, comme l'a si bien dit les autres intervenants, il y, a des, euh, il y a aussi, par exemple, la euh, vulnérabilité des familles, la pauvreté fait en sorte que les parents n'ont pas de moyens à soutenir la scolarisation de la jeune fille et au-delà. Il y a aussi l'école qui est considérée comme étant euh, euh, euh, la deuxième famille, parce qu'il y a deux milieux. Il y a le milieu imposé, qui est la famille de la jeune fille, et le milieu choisi, qui est l'école. Et dans ce milieu choisi, certains parents voient que c'est à partir de là que la jeune fille va apprendre certaines pratiques qui sont nocives à la société, certains comportements et au contact, par exemple, avec les FADA, les organisations. Tandis qu'au niveau du milieu imposé, qui est la famille, c'est une éducation de la, jeune femme, de la jeune fille contrôlée par la mère et le père. Donc, à ce niveau, je pense que l'État et les partenaires doivent associer tout le monde et plus précisément, c'est de sensibiliser les mères. Les mères à accepter que la jeune fille aille à l'école. Madame Bibakone de la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, beaucoup de parents pensent que l'école est un lieu de dépravation des mœurs, euh, raison pour laquelle ils ne veulent pas envoyer leur fille à l'école. Est-ce que c'est cela exactement, concrètement bon, Concrètement, n'est pas cela, mais il y a des parents qui ont la part de leur raison parce que nous, nous avons constaté dans certaines localité de Maradi, il y a des parents qui sont venus porter plainte contre des agressions sexuelles des enfants. Et il y a aussi le problème que Mme Rahon avait soulevé, l'éloignement des écoles. Les filles ont été, agressées en pleine brousse. Elles ont été violées, deux filles. Il y a une qui a été violée sexuellement, mais l'autre, elle a été agressée. On était obligé de faire recours à la gendarmerie. Et là, les parents disent que vraiment, ça, c'est un problème. Elles vont mettre. Les, les filles ne sont pas en sécurité. Si c'est pour inscrire la fille à l'école dans un centre qui est un peu éloigné, et puis elle va courir de, tels risques, là, ils sont contre. Il y a aussi le fait que les filles, il y a des filles qui tombent enceintes en cours de scolarité. Les, parents, donc, quand on va en sensibilise dans les villages, les parents donnent, dès qu'il y a un exemple, un, cas dans le village, ils prennent ça comme alibi. Ah, une telle fille, voilà, on l'a inscrite à l'école, vous dites que l'école, il y a ceci, il y a les avantages de l'école, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, et voilà ce qui se présente. Quand on a affaire à des enseignants qui n'ont pas la bonne moralité, il reste la fille et c'est fini. Et de là, les parents sont découragés. Parce que déjà, la fille a perdu son honneur. Et elle a fait aussi, il y a, l'honneur de la famille qui est en jeu. Il y a tout ça là, qui font que les parents sont un peu résistants dans les villages éloignés. Mais sinon, actuellement, ça va. Madame Bibokone, quels sont les efforts que l'État est en train de faire dans ce sens en termes de perspective pour améliorer davantage les conditions de la jeune fille Bon, pour améliorer les conditions de la jeune fille, vous avez dit dès le départ, il y a déjà l'allègement des tâches des femmes d'abord, pour que les filles-là ne soient pas exposées aux travaux pénibles. En dehors de ça, il y a aussi. Qu'est-ce que vous appelez travaux pénibles C'est le fait de la corvée d'eau. Il y a, des points d'eau qui sont un peu éloignés il faut aller revenir, il faut dépasser, il faut dépasser une heure de temps. Il y a aussi la corvée du bois. avec la désinfection, il y a tellement de, il n'y a pas de, assez de bois. Ils sont obligés de traverser, de faire un long trajet pour aller chercher du bois et revenir. Il y a aussi le fait d'aider la, maman à préparer. Il y a aussi, oui, le fait d'aller de puiser, de puiser l'eau là. Une fois, j'ai entendu le gouverneur, il était en, train de parler, on, on expose les filles à une charge qui est supérieur à leur force. De façon, il y a des, accidents, des accidents, des filles tombent dans des puits au niveau d'un village vers Madaronfa. Il y a tout ça là qui font que vraiment les filles sont très exposées aux travaux pénibles. Donc quand je, vous ai dit l'État est en train de mettre en place des équipements pour alléger les tâches des femmes, il y a aussi les activités génératives de revenus, il y a des fonds qui sont mis euh, en place pour que les femmes exercent des petits commerces, pour aider leurs filles en tout cas prendre à charge certains frais par rapport à leur scolarité. Au niveau de l'État, il y a des bourses d'excellence qui sont octroyées par la CDA actuellement au niveau de, notre ministère. Au niveau de chaque région, on envoie des, des agents qui viennent collecter les dossiers parce qu'il faut constituer un dossier. Il y a des critères à remplir. Et tout ça, c'est pour encourager la scolarité de la jeune fille. C'est pour aider les familles vulnérables, les familles qui n'ont pas de, de revenus ou bien les familles, les, les filles ici des, des familles dont les filles orphelines, orphelines de père ou de mère. Ces bourses-là, bon, je n'ai pas, en tout cas, peut-être que je porte le contrôle, peut-être qu'elle elle, a le montant, parce que tout à l'heure je lui ai demandé quel est le montant qui a été octroyé à ces jeunes filles, parce que tout récemment, on a eu neuf dans la région de Maragui qui ont été encouragés, qui ont euh, bénéficié de ce montant-là, de, cette bourse d'excellence. Tout ça, là, ça rentre dans le cadre de l'encouragement de la de la jeune fille. Le mariage précoce est une pratique coutumière qui remonte à la nuit des temps dans nos communautés. Elle est considérée dans la conscience collective des communautés comme un moyen de lutte contre la déperdition sociale des filles, mais aussi comme un moyen d'assurer une descendance respectable et éviter la honte. Le mariage précoce concerne les jeunes filles n'ayant pas atteint l'âge légal du mariage, c'est-à-dire l'âge conventionnel de la maturité fixée à 18 ans. Au Niger, la majorité de la population est rurale. Le mariage précoce est toujours d'actualité. Au regard de l'ampleur qu'il prend en de nos jours, le mariage précoce est devenu un sujet de préoccupation pour l'État, mais aussi pour ses partenaires intervenants, notamment dans le domaine des droits de l'enfant. Ce phénomène constitue un obstacle à la scolarisation de la jeune fille en la privant de facto de son droit de l'éducation. Avant de vous donner la parole, on va également suivre euh, l'honorable euh, chef de canton de et l'honorable Issoufou Sensibiliser nos parents à abandonner certaines coutumes néfastes. Si avant, même nous les chefs, euh, on est dans l'ignorance de, ces choses, ou bien ce sont nos pratiques euh, ancestrales, et nous-mêmes nous les avons abandonnées, on a compris que c'est du mal, on les a abandonnées, et nous étions obligés de faire comprendre à nos aux administrés que cette coutume-là dont nous, vos chefs, avons embrassé, avons coutume de faire, nous l'avons abandonnée. Essayez vous-même de nous comprendre et de cesser. Marier une jeune fille qui ne sait même pas ce que c'est le mariage, vraiment c'est un danger. C'est un, danger, vraiment. Bon, elles ont compris, mais vous savez, euh, la population, mais avec euh, le nombre croissant des choses. Et puis, il y a, ce machin de pauvreté-là. Des fois, c'est ça qui pousse euh, nos parents, nos, parents de campagne à marier leurs enfants. Mais maintenant, ils ont compris le danger qu'il y a. Par manque de moyens, tu donnes ta fille et qu'on te donne un peu de, sous. Maintenant, tu maries ta fille, elle va, elle est confrontée à un problème corporel. Ils ont compris qu'il faut vraiment cesser cette euh, pratique-là il y a quelques jours de cela, l'émeute de Cano a présidé une rencontre euh, sur le, mariage des enfants. Euh, pouvez-vous nous parler un peu de, cette rencontre avec l'émeute de Cano Cette rencontre, elle est très édifiante. Notre parent nous a édifiés dans peut-être certaines pratiques ou certaines... Euh, vraiment, on a compris que le mariage précoce, c'est un véritable danger tous les, participants ont compris, les ministres, les ambassadeurs, les chefs et tout ça. Là. Et nous, nous sommes maintenant, on a pris davantage conscience d'aller expliquer à nos frères, nos parents de campagne que vraiment, ça c'est une réalité. Vraiment, n'ignorez pas ça, écoutez, évitez de, de faire ce mariage parce qu'il y a tellement des exemples. Nous, les parents, on devrait se ressaisir. Soyons responsables même si on est nanti ou pas nanti, le devoir de préserver l'éducation de nos filles. Le bon Dieu nous a confié ça. L'honorable Issoufou Maïdobo, chef du canton de Birnelale d'Akoro. Madame Biba Kone de la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Quelle lecture faites-vous sur la persistance du phénomène du mariage des enfants dans la région de Maradi Par rapport à la lecture que j'ai faite, on, ne peut pas dire que le phénomène persiste. Parce que, comme je, je vous l'ai dit auparavant, il y a des sensibilisations qui sont en train d'être menées et on constate en cas qu'il y a une, nette diminution des mariages précoces au niveau de la région de Maradi. Même s'il y a des cas qui se présentent pas, parce que même il y a deux semaines de cela, une fille s'est présentée, elle est en troisième au CG2 de Maradi. On voulait la donner en mariage forcé dans le département de Grand Il a fallu qu'on insiste, il y a une médiation qui a été faite on a impliqué le maire de Grand Rumji, le maire d'ici au niveau de la, du conseil régional. Il y a la promotion de la femme et le, le divisionnaire de la protection de l'enfant, les parents, le tuteur de la fille, parce que le tuteur n'avait pas été informé. Ils étaient obligés d'aller rencontrer le père. Le, père, il avait quatre refusé, parce qu'il a même renvoyé sa maman. Il dit que la fille, elle est de connivence avec la mère. Elle, qui est la fille qui est ici, elle a, elle a fait six ans, ici à, Maradi. La mère a été répudiée par, par le père il a fallu qu'on mène une médiation très, très accrue pour que le parent, bon, actuellement, il a accepté, il a accepté que la fille On lui a expliqué que on n'empêche pas à la fille d'aller à l'école, de, de, se marier. Parce que le mariage, là, ils disent que c'est une couverture. C'est pour éviter la honte. Donc, au moins, qu'on la laisse poursuivre son souci scolaire. À la fin de l'année, elle est en troisième. Elle peut se marier, il n'y a aucun problème. En tout cas, on a pu mener cette médiation. Le papa, il n'est pas encore convaincu. Ce qui veut dire que ici, jusqu'ici, à Maradon, la mentalité des gens, le mariage, la, fille, quand elle a atteint un âge, jusqu'à au moins 15 ans, il faut qu'elle se marie pour éviter la honte, comme je vous l'ai dit. Madame Bibakone, vous venez là euh, de suivre l'honorable Issouf Maïdobo, chef des cantons de Benin Lalé d'Akoro. Quelle est la place euh, de la chefferie traditionnelle euh, ou bien le rôle de la chefferie traditionnelle dans le cadre de la lutte contre le mariage des enfants la, chef chefferie traditionnelle joue un rôle très important parce que lors des médiations, on implique la chefferie traditionnelle. Quand il y a un cas qui se présente, on fait recours au chef parce que les chefs sont très écoutés. Quand le chef parle, on est obligé de se conformer. Même si c'est toi qui as mis au monde ta fille, c'est toi qui l'as élevée, au moins quand l'autorité parle là, il faut suivre. Donc pour nous, les chefs, les chefs traditionnels sont d'un apport très important pour la direction de la promotion de la femme en ce qui concerne le, ce mariage précoce. Madame Bibakone, quelles sont les dispositions à prendre pour prévenir et gérer le phénomène de mariage des enfants dans la région de Maradi En tout cas, à mon avis, les dispositions à prendre, c'est que nous, nous sommes en train de lutter pour que la fille aille à l'école. Quand la fille va à l'école, au moins elle a la chance de ne pas, de ne pas être mariée très tôt. Au moins jusqu'à, jusqu'au, jusqu'au premier cycle du secondaire. On est en train de faire des pieds et des mains. Donc, la sensibilisation accrue on apprécie les populations, on fait des sensibilisations au niveau local, on implique les chefs traditionnels, les leaders coutumiers, en tout cas, tous ceux qui peuvent amener un plus pour que cette scolarisation de la fille-là soit, pour que la soit, soit maintenue à l'école et pour abandonner ces pratiques-là néfastes. le mariage précoce, c'est une pratique, bon, c'est une bonne pratique, mais elle est néfaste pour la santé de la reproduction de la fille. La fille, on la marie précocement, elle rencontre tous les problèmes du monde, tels que la fistule, ou bien elle peut se suicider, surtout quand, quand la fille n'est pas, pas pour le mariage. Elle n'a pas consenti à ce mariage-là, ou bien elle fuit. Et quand elle fuit, c'est un autre problème. Ça amène un autre problème. C'est pour aller dans la délinquance, ou bien de s'adonner à d'autres pratiques qui sont vraiment néfastes pour sa santé. Madame Hadja Aramou, chargée de la scolarisation de la jeune fille à la direction régionale des enseignements secondaires de la région de Maradi, quel rôle jouent les enseignants et vous-même pour mieux lutter contre le mariage des enfants Merci. Donc, euh, le rôle que jouent les enseignants et nous-mêmes, c'est de mener des sensibilisations de proximité. Parce que chaque fois que nous partons au niveau des villages, nous faisons la sensibilisation et nous laissons des clés USB au, chef d'établissement pour prendre la relève euh, une fois qu'on quitte euh, le village. Donc nous sommes en train de faire de notre mieux et nous, le corps professoral, et l'administration. Il ne faut pas aussi euh, oublier les différentes structures d'appui à l'école, telles que l'APE, le COGES et l'AME. L'APE, ça veut dire Association des parents d'élèves. Et il y a l'AME, Association des mères éducatrices aussi, qui interviennent euh, pour euh, freiner certaines choses. Madame Adam Haja Ramou, quel autre effort attendez-vous de qui pour atteindre les objectifs ou relever le défi Bien, donc euh, nous, ce que nous attendons, c'est que euh, ces décrets-là qui a été pris par le, Monsieur le Président de la République, que ça soit vulgarisé partout au Niger et que les chefs traditionnels euh, mettent leurs mains dans cette affaire parce que c'est des gens qui sont très écoutés. Et aussi, nous voulons assez que les, des plaidoyers soient faits pour que des projets interviennent. Parce que les projets aussi ont fait leur, elles euh, ont montré de quoi elles sont capables. Parce que tout ce que nous avons eu à enregistrer comme résultat, ce sont les projets qui ont, euh, ont bien voulu nous, accompagner à travers l'octroi de bourse que, j'ai parlé tantôt. Donc, euh, ce que nous voulons, c'est que tout le monde soit impliqué. Parce que l'affaire de la scolarisation en général et celle des filles en particulier, c'est un linge sale et un linge sale se lave en famille. Il faut l'apport de tout un chacun. Il ne faut pas laisser la responsabilité seulement à l'État, parce que euh, l'État est en train de faire de son mieux. Il faut que nous, parents, parents euh, d'élèves, les structures d'appui à l'école, euh, l'administration scolaire, les enseignants, il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice pour que les choses marchent. Abdou Damalam, vous êtes sociologue. Le mariage des enfants est-il une autre forme de violence à l'égard des enfants eh, Merci eh, de m'avoir posé cette question eh, par rapport au mariage des enfants. Le mariage des enfants est une pratique ancienne qui fait cours aujourd'hui et cela pour plusieurs raisons. Dans l'ancien temps, les parents marient leurs enfants par honneur et par consensus entre les familles. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Et surtout avec euh, la dépravation des mœurs, qui du reste aujourd'hui a quitté les centres urbains pour euh, se répercuter dans les centres ruraux. Et c'est pourquoi euh, le mariage précoce de la jeune fille est constatée de nos jours. selon vous, qu'est-ce qui fait la propension de la dépravation des berceaux jusqu'au niveau des milieux ruraux Donc aujourd'hui, ce qui fait cela, c'est d'abord le progrès euh, euh, technique. C'est avec euh, la mondialisation, la globalisation, le monde qui est devenu un village planétaire. Chacun veut découvrir, chacun veut savoir. C'est ce qui fait que euh, ces dépravations sont transportées de la ville vers le village. Vous parlez des téléphones portables, WhatsApp, Facebook et autres e-, Effectivement. Donc, au-delà de ça, aussi les parents acceptent le mariage précoce parce que nous venons de finir un thème bien important qui est celui de la scolarisation de la jeune fille. Mais à l'intérieur de ce concept de scolarisation de la jeune fille, nous avons une catégorisation. Nous avons les filles déscolarisées, ce qui décourage les parents ce qui pousse les, parents à ne pas envoyer la jeune fille à l'école et ils préfèrent la marier précocement. Donc c'est pourquoi eh, le mariage précoce, vraiment aujourd'hui, eh, dans sa forme actuelle, on doit lutter contre le mariage précoce. Mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faudrait que, comme la Constitution du Niger a prévu dans l'article 11 et l'article 23, que les parents s'adonnent à l'éducation, à la protection des enfants, en respectant les droits dévolus à ces enfants-là, que l'État aussi fasse cela à la lettre, en appuyant euh, les couches les plus vulnérables. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons le cas du mariage précoce dans les villes, c'est lié avec euh, le matériel. C'est le plus souvent, c'est les richards là qui voient des petites filles et qui les dotent et qui les prennent en mariage. Mais au village, c'est pour éviter cette honte, c'est pour qu'il n'y ait pas euh, ce contact avec les méfaits actuels du comportement qui sont visuels chez les jeunes, euh, filles de, la ville. Abdou est-ce que le mariage des enfants doit être perçu comme une violence à l'égard des jeunes filles Donc, euh, le mariage des enfants, c'est une violence que les parents exercent sur la jeune fille ou bien sûr même les jeunes garçons Parce que ce n'est pas seulement la jeune fille, il y a même des jeunes garçons qu'on marie précocement, parce que c'est une violence sans leur consentement, sans savoir c'est quoi le mariage, et que on se réveille un matin, on a une femme. La charge, en dehors de ce que euh, Madame avait rappelé comme problème, comme maladie que cela peut supposer, il y a aussi euh, l'exode, il y a aussi la fuite tout cela. Donc ici, les jeunes sont exposés à eux-mêmes et c'est un danger. C'est un danger, Abdou Depuis plusieurs années, euh, l'État nigérien et ses partenaires se sont engagés dans le cadre de la lutte contre le mariage des enfants, mais sur le terrain, le phénomène et ses conséquences persistent. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché Bon, vous savez, l'État, avec euh, ses partenaires, doivent redoubler d'efforts de faire la sensibilisation de village en village, de hameau en hameau, mais aussi avec des mesures d'accompagnement pour que cela soit vérifié. Mais il y a des couches ou bien des groupes ethno-linguistiques que chez eux, le mariage précoce est connu. On le sait même dans, la société nigérienne. Il y a des parties où c'est clair. Aujourd'hui, quand vous prenez chez les nomades, il y a ce type de mariage mais comment l'État doit euh, mettre en œuvre des mesures qui doivent mettre fin à ces pratiques. À ces pratiques. Et pour ce faire, il faut, comme vous l'avez si euh, demandé, l'intervention de tout un chacun. Chacun doit amener sa pierre à l'édifice pour que cela soit une réussite, pour qu'on lutte efficacement contre le mariage des, enfants. Madame Adam Hajja rapidement, proposez-nous des pistes de solutions pour lutter contre le mariage des enfants. donc, euh, nous, nous proposons comme solution cette sensibilisation-là. C'est la première des choses, parce qu'elle a porté ses fruits. Avec la sensibilisation, plus euh, un appui ces parents-là Parce qu'on a vu plus haut. Est-ce que l'État peut satisfaire euh, tous les parents euh, démunis euh, ou bien les ONG, est-ce qu'ils peuvent satisfaire tous les parents démunis On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais en essayant de satisfaire une portion des, des filles d'un village bien donné, reconnu pour son mariage précoce par exemple, si on arrive à maintenir ces filles-là et qu'elles arrivent à décrocher un emploi, elles seront des modèles pour ces villages-là. Donc ça aussi, c'est une manière de lutter. Parce que si les parents voient du concret, là, ils peuvent accepter. Vous savez, nos gens de village, là, comment ils sont. Et aujourd'hui, ce qui fait que ces parents-là n'ont pas totalement confiance, c'est l'échec des aînés. Il y a des villages où on dit que depuis que l'école a été créée, il y a des écoles même qui ont été créées juste après les indépendances. Mais ils disent que jusqu'à présent, il n'y a aucune fille qui a réussi euh, son cursus scolaire. Ça, c'est un problème. Madame Obiba connaît, euh, proposez-nous quelques pistes de solutions. comme euh, Madame Ramoula a souligné, nous proposons à notre niveau aussi des sensibilisations, des sensibilisations en tout cas jusqu'au fond des localités, là où vraiment le phénomène persiste. Et puis, proposer des, en tout cas, des actions qui vont soulager les familles vulnérables. Parce que la plupart du temps, c'est la vulnérabilité qui pousse les parents à marier leurs enfants. Donc, des, des activités génératrices de revenus, un des fonds qui sont destinés aux femmes pour faire leurs activités. Donc, elles ne seront plus dans le besoin pour faire marier leurs filles, pour avoir des revenus. Et aussi au niveau des, partenaires, nous souhaitons que les partenaires nous appuient beaucoup parce qu'on a des partenaires qui sont en train d'intervenir au niveau pour que cette croissance soit accrue et que les filles ne soient pas données en mariage. Il y a les filles qui sont un peu soulagées, on leur donne des, chefs rousses qu'elles vont garder et puis elles vont faire l'élevage. À partir des produits d'élevage, elles tirent un revenu pour satisfaire leurs besoins par rapport à la, aux fournitures scolaires et les frais de récréation. Ah, madame, allez-y pour euh, quelques pistes solutions. Donc, euh, pour des, quelques solutions, d'abord, il faut qu'il y ait un changement de mentalité euh, à l'égard de toutes les couches sociales. Et au-delà, il faut maintenir la jeune fille à l'école jusqu'à l'âge du premier mariage. Donc, le maintien de cette fille à l'école doit être accompagné. L'école doit être gratuite chez la jeune fille elle doit être accompagnée durant son cursus jusqu'à l'âge du mariage. Actuellement, l'école est gratuite. Pas toutes les jeunes filles, pas toutes les jeunes filles. Je parle sous le contrôle de, de la chargée de, de, la scolarisation de la jeune fille au niveau de, de la direction régionale des enseignements secondaires. Et nous avons ces problèmes avec euh, la jeune fille dans le milieu rural il faudrait qu'elle soit accompagnée. Et quand j'ai dit euh, euh, accompagnement, l'accompagnement de la jeune fille, il y a aussi l'éloignement. Donc il faut approcher euh, l'école à côté de la famille de la jeune fille. Donc tout cela contribue dans la lutte contre le mariage précoce. Est-ce qu'il faut aussi contrôler les réseaux sociaux Oui, là effectivement, il faudrait, moi peut-être c'est mon point de vue, et du point aujourd'hui avec les rapports sociaux, je voudrais qu'on mette fin à cette dérive qu'on observe au niveau des, des réseaux sociaux. Vraiment, ça, ça contribue aujourd'hui au mariage précoce et à la déperdition scolaire chez la jeune fille. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou tourné à Maradi sur les installations de la radio Garkoa, notre partenaire. Merci à nos invités, Madame Adama Hajia Ramou, chargée de la scolarisation de la jeune fille à la direction régionale des enseignements secondaires de la région de Maradi. Merci également à Madame Bibakone de la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Nous étions également avec Abdou Damalam, il est sociologue. Bonsoir et merci à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires un peu partout au Niger. Merci, au revoir.